Nous sommes mercredi 27 décembre 2023. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu que vous écoutez à travers nos radios partenaires et en streaming sur le www.studiokalangu.org. Chers auditrices et auditeurs, il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Moukela alias Seno et à mes côtés Samira Rouafi. L'édition est assurée par Rahilatou Soumana. À la technique, nous avons ce matin Issa Lawali. Samira, bonjour. Bonjour nous. Alors, euh, comment allons-nous accompagner les auditeurs aujourd'hui Oui, nous débutons avec le flash d'information et aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Ali Oumarou Ubandawaki. Il est le président de l'ONG OPPN Kula Rayoua, une organisation qui œuvre dans le domaine humanitaire. Nous irons en région aujourd'hui, nous serons à Dosso, plus précisément à Gaïa. La promotion de la tolérance envers les personnes handicapées en milieu scolaire est le sujet de notre écho des régions. Nous parlerons environnement dans la rubrique hebdo du, de ce mercredi interviendront après le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu, la page sport. Actualité oblige. En direct d'Agadez, nous aborderons le sujet du championnat de lutte traditionnelle dans la capitale de l'Aïr. Un salut à nos envoyés spéciaux et correspondants sur place. Une pensée particulière à nos auditeurs de la radio nomade qui diffuse actuellement cette émission. Nous allons boucler cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs prêts pour le décollage. C'est parti. On débute comme d'habitude avec euh, notre flash info qui nous est présenté aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar, quelles sont les nouvelles Bonjour euh, Samira, bonjour Ali. Bonjour. Le flash euh, d'information à présent les compétitions en rentrant dans le cadre de la 44e édition du sabre national de lutte traditionnelle se poursuivent activement à l'arène Aboubakar Jibo d'Agadez. Des 80 lutteurs engagés et dans la course au sabre à l'occasion de la première journée, ils ne sont plus que 14 aujourd'hui, 27 décembre. Plus d'une soixantaine de lutteurs ont donc mordi la poussière dans cette arène en cinq jours de compétition. Dommage, le mal du sabre national refait surface à chaque année presque à la même période. Il s'agit des combats truqués que la lutte peine à solutionner vers la révision des accords militaires entre le Niger et les pays disposant de forces sur le territoire national. Les autorités nigériennes ont formellement informé les représentations diplomatiques des pays partenaires concernés. Le document du ministère des Affaires étrangères et de la coopération précise que cela répond aux exigences du peuple nigérien. Pour rappel, les États-Unis d'Amérique et les États européens, dont l'Allemagne, l'Italie, comptent des troupes militaires sur le territoire nigérien. La douzième édition du championnat national de volleyball se déroule à Dosso et prend fin demain. Selon la Fédération nigérienne de volleyball, dix équipes hommes et six équipes dames venus de cette région du Niger participent à la compétition, excepté la région de Tilaberi. Le volleyball nigérien se cherche des sponsors pour donner plus d'éclat à la discipline, sortir de l'ombre et briller à l'international. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 27 décembre 2023. Merci infiniment, Mokhtar, pour euh, toutes ces informations. Comme annoncé en début d'émission, nous sommes avec notre invité en la personne de M. Ali Umaru Ubandawaki, président de l'ONG OPPN Kula d'Araïwa. Bonjour, M. Ali Umaru. Bonjour, M. Senou. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nos échanges porteront sur les questions humanitaires au Niger et l'appui que votre organisation apporte. Mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord euh, ce morceau Gassé de l'artiste Elsa. Hey. What's Elsa? On the beat. Le drapeau est rouge. Favela on the beat. Yigo molo molo gay wow, I know gejase. Basgane asiba ay, ifo gejasa. Choro kansina va, ifo gejasa. I go di ay, follow follow, I know jase. I know jase. I know jase. I know jase. I go di ay, I know jase. I know jase. I know jase. I know what y'all say, I go there. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. I know what y'all say. Elsa go batamase. Igone petit follow, zanya me kalkolo. I no go rapo zingendi, no go ma flego zargandi. inay a fight On un bébé en descend On un bébé en descend On un bébé en descend On un bébé en descend On un bébé en descend On un bébé en descend On un bébé en descend On un bébé en descend Igo gay Bas asiba ay Choro il faut que I go di follow follow say I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I go DA. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I go DA. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. I know get y'all say. Elsa est un jeune rappeur, auteur et compositeur. Il a débuté en 2018 dans la musique et il fait son petit bout de chemin. oui, Samira, dans cette chanson, disons qu'il avertit la concurrence, il clash et cherche à attirer l'attention sur lui-même. Ça marche plutôt bien pour lui car il sait se faire apprécier. Il a le rap dans le sang. Exactement, il chante un peu de tout. Il n'a pas un style particulier comme il a su euh, le dire lui-même ici euh, au studio Kalangu. Actuellement, il fait partie de la nouvelle génération du rap et du hip-hop nigérien. Bon vent à lui. oui, bon vent à lui. I know you ya sei, I know you ya sei, I know you ya sei, I know you ya sei, I know you ya sei, I know you ya sei. Another killing mix by Judo Starboy. C'était là le titre Jassei de l'artiste Elsa. À présent, on se tourne vers notre invité du jour. Rebonjour, monsieur Ali. Rebonjour, madame. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer la mission principale de l'ONG Kola Rayoua et de son objectif Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Studio Kalango de nous avoir invités ici afin d'extérioriser nos pensées. Euh, en parlant donc de l'ONG Open Kuladaraïwa, le sigle Open, o 2 PPUN, e c'est l'Organisation pour la promotion et la protection de l'environnement au Niger, Kuladaraïwa. C'est une structure qui, est, qui a été créée depuis 2010 à sa tête Ismaël euh, Omar. Et chaque année, en fait, les, chaque cinq ans, le monde des ONG, on change donc le bureau exécutif national, le BEN. Exact. Donc c'était à la troisième assemblée générale euh, de la structure que moi, Monsieur Ali, j'ai été donc euh, élu président du bureau exécutif national. Notre mission principale, comme son nom l'indique, en réalité, c'est la protection de l'environnement au Niger. Mhm. Nous avions fait pas mal de réalisations ah, dans les différentes euh, écoles et universités où en réalité nous menons des campagnes de sensibilisation mhm. et des poubelles en réalité que nous des dons que nous faisons aux différentes euh, structures comme euh, cadre d'enseignement mhm. et de l'éducation afin donc de euh, de préserver notre environnement en parlant un peu de l'hygiène et de l'assainissement enfin hein, sensibiliser les gens à ne pas jeter des déchets, machin, machin. Exact. C'est un truc comme ça. Vous, vous intervenez également dans le domaine humanitaire. Exactement. Mhm. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation humanitaire au Niger euh, En parlant de la situation humanitaire au Niger, mm. dois-je dire en réalité qu'il y a un manque de contact en fait entre les ONG locales. Vous savez, euh, depuis un certain temps, avec euh, l'ancien régime, mhm. il y avait des appels d'offres qui sont maintes fois lancés au niveau de, des structures internationales. Mhm et je m'excuse du terme, nous sommes en Afrique, nous avions des structures parmi ou dans lesquelles mhm. il y a des intellectuels, des jeunes intellectuels qui sont capables d'innover, de mettre en place, de concevoir un projet, mhm. mais par manque en réalité de, de, ce réseautage. Exactement. Mhm. On manque de personnes ou de structures à qui nous, nous allons nous adresser, ou en réalité on n'a pas de de, de, de, en parlant du réseautage bien sûr, quelqu'un qui peut nous assister à pouvoir réaliser euh, cette initiative. Ok, alors parlant bien évidemment du contexte, euh, depuis les événements du 26 juillet, le coup d'État, quel est son impact dans ce domaine en tout cas, depuis le 26 juillet, dois-je dire que la plupart et la majorité des marmites des structures sont renversées. <laughs> Je l'ai dit et je les réitère. Parce que euh, la plupart, euh, en tout cas, de nos projets, pour nous, c'était l'ambassade de France qui mhm. nous assistait, mhm. euh, à travers aussi d'autres consortiums, d'autres structures. Et depuis lors, en réalité, tout était coupé. Mais je dois dire que nous avions des activités propres à nous que nous menons à fond propre en qu'en réalité, nous sommes en train de le continuer euh, même maintenant. Nous avions récemment signé un protocole de partenariat avec la nouvelle direction de l'éducation, qui est la direction de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, euh, qui est effectivement coiffée par euh, Dr. Elisabeth Sherif, qui est la nouvelle ministre en matière de l'éducation. Oui, vous avez parlé maintenant hum, de, faire des, des, activités à fonds propres. Comment appréciez-vous l'aide que vous apportez aux populations nécessiteuses En tout cas, euh, dois-je dire que nous lançons des cotisations à fonds, déjà au sein même de notre structure. Mm. Et nous avons un centre orphelinat que nous assistons, euh, orphelinat Riyad. C'est des cotisations à l'interne que nous faisons euh, mensuellement, voire par trimestre où nous amenons sur notre page Facebook, tout est là. Euh, des moutons que nous payons en amenant à ces orphelins-là qui ni de, qui, qui n'ont ni père ni mère. Euh, pour l'instant, à fond propre, notre, dans notre structure, c'est la seule, euh, le seul centre que nous sommes en train d'appuyer en matière d'appui, d'assistance pour ces personnes-là. Ok, alors quels sont les domaines d'intervention prioritaires pour votre organisation et surtout quelles sont hein, vos zones Merci beaucoup, M. Mm-hmm. Seno. Mm-hmm. Dois-je dire qu'au sein de notre structure, en l'occurrence l'ONG Open de Rayoua, mm-hmm. nous avons deux à trois volets d'intervention, mais nous avons un volet spécifique où c'est dans ce volet-là que nous sommes en train de nous euh, appuyer. En l'occurrence, euh, le volet éducatif euh, volet santé et volet environnemental. nous nous accentuons beaucoup plus, d'accord, sur ce volet éducatif. Euh, dans lequel nous appuyons et accompagnons mhm. les élèves, en réalité candidats au bac EBPC, à travers un programme spécial d'appui, d'assistance en matière de renforcement de capacité. Nous avions compris qu'en réalité, que ce n'est pas parce que les élèves ne sont pas intelligents qu'ils n'étudient pas, mhm. mais c'est parce qu'en réalité, ils manquent de motivation. Si aujourd'hui, cet enfant qui étudie, qui part à l'école et qui pense qu'en réalité, il part à l'école malgré lui, ou mhm. c'est parce que papa et maman m'ont dit d'aller à l'école, mhm. je ne pense pas que nous aurons des intellectuels à l'avenir. Mais quand en réalité, il se met dans sa tête que je pars à l'école parce que et je veux devenir quelque chose. Je serai riche, j'aurai une belle maison, j'aurai de l'argent, machin, machin. La personne est psychologiquement boostée. Ça lui permettra, en tout cas, euh, les projections que nous faisons, nommées séminaires de motivation, euh, permettent, euh, permet aux élèves, là, en réalité, de pouvoir attacher leur ceinture afin de s'intéresser beaucoup plus aux D'accord, d'accord, monsieur Ali. Merci infiniment. à travers cette première intervention, nous avons retenu quand même un certain nombre de points. Hein commençant par euh, ce manque de réseautage que vous avez évoqué mhm. et le renversement de la mhm. marmite qui, <laughs> <laughs> qui a des conséquences un peu euh, difficiles euh, sur l'évolution de votre organisation. Nous avons également noté que vous, mhm. vous, vous, contribuez hein, auprès de la population à travers une cotisation pour aider particulièrement les orphelinats et également vos domaines d'intervention compose trois volets d'intervention, mhm. l'éducation, la santé, environnement. Alors, euh, avant de poursuivre, marquons une petite pause musicale pour écouter ce titre Amana del Radik Sordio. Music, de la musique urbaine nigérienne. ça te rappelle quelque chose, non Oui, Samira Amana a fait son temps et jusqu'à aujourd'hui, euh, lors des mariages, cette chanson est écoutée. Euh, elle rappelle le euh, devoir des époux, hein, le défi et particularité hein, du mariage fait par amour. On vous en dit pas plus, voici pour vous, hein. elle aura dit qu'on continue de kiffer. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était la Amana, chantée par l'artiste euh, El Radik Soldier, qui hein, vit actuellement au Canada. Retour au studio avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Ali. Je rappelle qu'il est le président de l'ONG Kula d'Araywa. Nos échanges sont axés sur l'humanitaire au Niger. Alors, M. Ali, quels sont les principaux défis, selon vous, auxquels le Niger fait face Merci beaucoup, Monsieur Senou. Euh, par rapport relativement à votre question de, des défis d'accord, auxquels notre pays fait face, mm. je veux m'aventurer sur euh, la jeunesse. Nous avons euh, une jeunesse qui, je peux le dire, à moitié voilà, intellectuelle. Aujourd'hui, notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Mm. Et quand nous voyons comment est-ce que notre jeunesse est en train de se comporter, on se dit plutôt que en réalité, on a un grand défi à relever. Le Niger a un grand défi à relever. Alors, la jeunesse se comporte comment La jeunesse, aujourd'hui, se comporte d'une manière trop bancale, à travers euh, l'amour euh, au gain facile. Au gain facile, Si je prends hmm. la jeunesse de l'Union des scolaires nigériens aujourd'hui, mhm, mhm, mhm. USN, divisée. Effectivement. Et c'est des futurs cadres du pays, des managers, des gérants du pays. Le comité directeur aujourd'hui est partagé. revient dans le monde, effectivement, de la musique. Les artistes ne sont pas unis il y a vraiment ce déphasage, déphasage là qui est là. Mhm. revient même dans le monde humanitaire en réalité. Mhm. Beaucoup d'ONG et d'organisations de jeunes aujourd'hui ne sont pas unies. Mhm. Tout le monde veut aller faire de lui-même, de son côté. Et un pays ne peut jamais émerger comme ça. Le principe de l'individualisme ne peut jamais faire émerger un pays. Donc le premier défi auquel le Niger fait face, en réalité, c'est quoi C'est le manque d'esprit, de cohésion sociale, de fraternité. et de, justement, Monsieur Ali, en parlant de cohésion et tout, comment est-ce que votre organisation collabore-t-elle avec les autres acteurs locaux, nationaux et internationaux pour renforcer son impact exactement, madame. Euh, sur ce point, nous n'avons pas, en tout cas, de partenaire international avec lequel nous travaillons. Mhm. Nous travaillons, bien sûr, avec des ONG comme les autres, comme les, nôtres, des ONG euh, locales, mhm. bien sûr, euh, qui ont des consortiums avec des partenaires à l'étranger. Donc, actuellement, sur ce point, je ne peux pas vous donner ou placer mes mots en ce sens que en réalité, on n'a pas de partenaire euh, international avec lesquels nous travaillons. Mais relativement aux partenaires, euh, bien sûr, locaux, c'est que nous avions euh, les directions, parce que je vous ai dit qu'en réalité, nous avons un volet éducatif dans lequel nous accentuons et nous centralisons nos activités. Donc déjà, dans la capitale, nous avons toute une panoplie de chiffres que je vais vous retracer incessamment relativement aux réalisations que nous avons pu faire. Sinon, on remarque quand même une très belle affinité d'accord, euh, chez les gens, en tout nos cibles, quand nous partons avec nos initiatives, elles sont euh, vraiment euh, souhaitées et accompagnées par, euh, au niveau de ces cibles chez qui nous nous rendons chaque fois à travers nos activités. Super. Alors, qu'en est-il pour votre organisation Quelles sont vos difficultés merci beaucoup, M. Sonné. M. Seno, revenons toujours à ce que j'avais dit. Mhm. Il faudrait que l'État, à travers le CNSP, je lance un appel, bien sûr, qu'on fait un appel d'accord à ces structures-là afin que beaucoup, beaucoup qu'on initie ces genres d'initiatives comme les vôtres, mhm. afin qu'on tend le micro d'accord, au niveau de ces structures de jeunes comme les nôtres, afin qu'en réalité, que nous arrivons à extérioriser nos pensées, nos mots, ce que nous gangrènent psychologiquement. Mhm. D'abord, dois-je dire qu'il y a un problème, euh, en tout cas, d'absorption de projets. Qu'est-ce que je voulais dire par ça Chez nous, dans notre structure, nous avions ciblé beaucoup, en tout cas, de zones dans lesquelles nous pouvons travailler et que nous pouvons amener notre apport. Mm. Et quand nous avions saisi cela, on s'est réunis, bien sûr, avec des spécialistes en suivi, évaluation et gestionnaire de projets. Mm. On a mis en place beaucoup d'initiatives qui demandent, d'accord, beaucoup d'appui mm. financier et technique. Mm-hmm. Nous avions effectivement, après avoir conçu ces initiatives, on était parti déposer, d'accord, euh, nos projets, d'accord, au niveau de ces structures internationales, mm. au niveau des grandes ONG locales. Mm-hmm. Et en réalité, à notre grande surprise, Monsieur Seni, mm-hmm. Madame Samira, on se retrouve avec d'autres ONG, d'accord, sœurs comme les nôtres, financées par nos propres euh, nos propres projets. c'est comme si, euh, en tant le projet, par exemple, ici à Kalangou, mhm. euh, on voit que notre propre projet est financé par cette même structure au niveau de laquelle on était parti déposer notre initiative et au niveau d'une autre ONG sœur qui nous demande d'accord des spécialistes en matière de gestion de projet, genre des spécialistes pour gérer l'initiative parce que ce n'est pas eux qui l'ont conçu, ce n'est pas mm. une initiative pensée et réfléchie par ces structures-là. Donc je me dis que, je vous dis, euh, le, comment on appelle le euh, défi, euh, mm-hmm. d'accord, auquel l'obstacle auquel nous nous sommes confrontés, c'est quoi C'est qu'en réalité, on n'assiste pas ce ceux qui mérite d'être assisté. On assiste plutôt par parents, amis et connaissances. On aimerait bien continuer. Jamais, jamais, jamais émerger. <laughs> voilà, on aimerait bien continuer à, vous écouter, mais le temps est contre, nous. Alors, nous vous disons merci infiniment, M. Ali Oumarou Bandawaki d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée. À la prochaine. Prochaine fois, Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes mercredi, nous allons parler environnement. Vous l'avez compris, c'est la rubrique hebdomadaire. Exactement, Samira. Et aujourd'hui, elle est consacrée à une plante du Sahel qui contribue euh, dans la protection des terres arables le Bossia sénégalaise communément appelée Anza en langue Hausa. On la retrouve dans la région de Tawa, mais elle est également utilisée dans la pharmacopée traditionnelle et dans l'alimentation. Capitaine Tahiro Amadou du service départemental de l'environnement d'Ilela explique au micro de Moutari Mahamadou. Bossia sénégalensis, communément appelée Anza, c'est une espèce euh, qu'on trouve euh, ici pratiquement dans le Sahel c'est une espèce qui résiste euh, donc aux caprices euh, du Sahel. C'est une combrétacée. Et ici à Elela, on la retrouve euh, un peu sur les plateaux et aussi sur les sols du Donc cette espèce a été, comme le nom l'indique, a été découverte donc, dans le Sahel, notamment au Sénégal. Euh, l'étude a commencé là-bas. Et ensuite, euh, euh, elle s'est propagée un peu dans tout le Sahel. Aujourd'hui, nous avons des, représentants, que ce soit donc, sur le plateau ou bien sur le sol du ici donc, dans le département de l'Ela. Quelle est l'importance de cette plante C'est immense. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas une grande importance comme les gens le disent toute espèce a une importance. Et je dis bien, c'est une convolutacée. Donc, la première des choses, cette espèce lutte contre donc, euh, la désertification parce que vous voyez au niveau de cette espèce, on trouve toujours une petite dune autour de cette espèce. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'elle arrive donc à, capter les graines de sable qui sont charriées par euh, l'eau qui coule. mais aussi, tout autour, vous trouverez qu'il y a des espèces herbacées. Cela veut dire que ce milieu est un peu riche, malgré que eh, certains disent qu'elle eh, apparaît sur des terres qui sont tellement pauvres. Bon, soit. Mais l'un de l'autre, c'est une espèce quand même qui est là au Sahel et qui contribue à la lutte contre la désertification. Je vais dire par là, elle protège le sol. Le deuxième point, c'est qu'elle protège aussi son espace c'est-à-dire, là où vous la trouverez, vous trouverez qu'il y a toujours de, certaines collines. Elle fait en sorte que les le vent arrive à déposer certaines particules, c'est-à-dire que le sol ne soit pas nu. Ça, c'est une grande capacité, vu sa taille, parce qu'elle fait partie des, des, C'est vraiment quelque chose de formidable qu'elle arrive à atténuer ces particules, à les déposer à côté c'est comme si la couche arable du sol restera toujours à côté dans votre champ quand vous avez donc euh, un nombre important de, ces, de, cette espèce. Donc, elle arrive à, protéger votre sol. Les populations, comment elles utilisent euh, cette plante Ça dépend. La population, si on prend en général, ici, c'est l'exploitation surtout du bois de feu. Mhm. Mais aussi, de l'autre côté, il y a la pharmacopée mais aussi il y a les fruits qui est consommés par la population donc en période de disette comme on dit et voilà pourquoi les gens disent que c'est un indicateur de la famine parce que les gens disent que elle fructifie beaucoup au moment où il y a la famine et les gens l'utilisent aussi, je dis bien, dans le bois de feu, parce que c'est une combretacée, l'exploitation est permise, mais sous peine de laisser donc euh, un ou bien dérégé, parce que aujourd'hui nous sommes là pour euh, eh, aider la population à comprendre que eh, il ne vaut plus la peine eh, de faire quand même euh, table rase, c'est-à-dire quand vous avez un champ de tout défricher complètement. C'est ça qui contribue énormément donc, euh, à la dégradation de votre champ. Deux, et donc à la réduction, si vous voulez, sinon de la production agricole, mais aussi vous contribuez à la déforestation, c'est-à-dire vous faites en sorte que au lieu qu'on progresse de façon positive sur le plan donc régénération ou bien sur le plan plantation, vous, vous faites en sorte que on régresse. C'est ce qui explique aujourd'hui un peu partout, vous verrez que les, les terres sont un peu glacifiées. Voilà, c'était là euh, la, rubrique hebdomadaire environnement. Bougeons un peu, chers auditeurs, euh, cette fois-ci avec euh, le titre qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. C'est un, hein, l'artiste a pas mal bossé sur sa communication cette année et on peut dire que cela a payé, n'est-ce pas Samira Et eh oui, c'est nous, pour que nos auditeurs puissent bien écouter, nous parlons de l'artiste Abel Zamani avec le titre Gdagamou Seimu en collaboration avec DJ Soul, on vous laisse kiffer. Jason Kakule. Digani saike, mushada imu takani yeah yeah yeah. Karta sankara, barikuri mu sanjuna, diga mo, seimu, akise mu tapwa seimu. Muna pati muna jindadi, muna pati muna shagadi, ya muke mi mo, suna ganin suna son su san Diga mu seimu, mushada tu sonche Sunte tunche mu munche Mu munche Kuyayin kuka kokolaso Bamu kolaso munche kavanso. c'était là le titre de Dagamou Seymou" de Abel Zamani en collaboration avec euh, DJ Soul. Chers auditeurs, euh, si vous venez juste de nous rejoindre dans cette émission, eh bien, dites-vous que vous n'avez rien raté de cette émission car vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette édition sur notre site internet www.studiocalangu.org. Et voilà Samira, à présent, place à l'écho des régions. Le reportage en région de ce jour nous amène à Gaïa où l'inspiration euh, des enseignements primaires, Gaïa 1, promet la tolérance envers les personnes en situation de handicap. Elle a organisé deux jours d'activités sportives à l'endroit des élèves des classes de CM1 et CM2 euh, qui, accueille des enfants en situation d'handicap. L'objectif de cette action est de préparer euh, la rentrée prochaine et de renforcer le lien entre les élèves en bonne santé et les élèves en situation de handicap. Suivons ce reportage de Fadelalo. Amener les autres élèves à accepter et cultiver l'esprit de tolérance et d'entraide avec les élèves en situation de handicap, c'est l'objectif visé par cette initiative. Abdoulaye Aboubakar Dansalatou, inspecteur des enseignements primaires Gaïa 1. Une façon d'amener les enfants à aider dans la lutte contre la stigmatisation des enfants handicapés, la solidarité entre ces élèves. qu'on a compris que même ces enfants handicapés ont besoin du sport pour plusieurs raisons. Également, ils ont besoin de jouer et s'épanouir au même titre que leurs pères non handicapés. À travers des sensibilisations et des jeux sportifs, les élèves ciblés ont bien perçu le message.

Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la page sport. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour euh, Samira. Bonjour. Alors la 44e édition du championnat national de lutte traditionnelle se poursuit à Agadez, n'est-ce pas Gourouza Oui, en effet, euh, nous avons d'ailleurs euh, notre envoyé spécial sur place, Adam Sayrou, en ligne. Et oui, il est en direct et nous fait vivre le sport roi qui est la lutte traditionnelle depuis la capitale de l'Aïr. Bonjour Adam. Bonjour, euh, très bien, là-bas, la fraîcheur oui, oui, ça va, ça va, ça va. Hier, la reine Aboubakar Jibo a vivré pour euh, le compte de la quatrième journée, n'est-ce pas Eh bien, oui, cette quatrième journée c'était très calme sur le terrain et dans les tribunes. Sur le terrain, c'était calme parce que parmi les 15 lutteurs invaincus de la troisième journée, un tel était tombé à l'occasion de la quatrième. Et dans les tribunes, le calme était probablement dit à la suite de la Mune Medaba que le triple champion d'Agadez. Mais ce matin, les spectateurs ont commencé à remplir le gradin. On espère qu'il se remplira au fil de la journée. Oui, Adam, à l'issue de la quatrième journée, combien de lutteurs restent invaincus Eh bien, à la fin de cette quatrième journée, nous nous sommes réveillés avec 14 lutteurs invaincus, Tawa avec 3 lutteurs, Dosso, Kilaberi, Maradi, Zender et Niamé avec deux lutteurs invaincus, la région de Bifa avec un lutteur et Agadez avec aucun lutteur. Pour finir, euh, quel est le programme d'aujourd'hui, la cinquième journée Alors ce matin, le combat entre la région de Tawa et ce se soldé sur le score de 4 victoires à 4 et 2 nuls. Cependant, il faut noter que les trois lutteurs invaincus de Tawa et les deux lutteurs invaincus de la région de Bosso restent toujours en course Présentement, la région de Bifa est opposée à Agadez. le seul lutteur invaincu de Bifa, à la personne de Mansour Ita, vient de remporter son combat et poursuit son chemin pour la, pour la course au sable national. Le soir, on aura Tilaberi, Niamey, Maradi, Zender. Et voilà l'essentiel pour cette matinée du côté de la reine de lutte Aboubakar Jibour d'Agadez. Merci Adam Sayrou, merci et bon vent là-bas. Alors, Gourouza, parlons toujours sport, mais direction Zander pour le championnat de volleyball. Oui, sinon, effectivement, notre correspondant Ali Keita était à la 12e édition du championnat de volleyball dans la capitale de Tamagaran. Les détails dans ce reportage de Ali Keita. Le championnat national de volleyball est dans sa douzième édition cette année. Dix équipes hommes et six équipes dames venues de cette régions du Niger sur les huit, excepté Tilaberi pour des raisons non encore élucidées par cette compétition. Maman Oumarou, membre de la fédération de volleyball, se félicite de l'engouement pour la discipline. Nous sommes à la douzième édition de la Ligue nationale 1 de volleyball. Ils sont là pour compétir euh, du 24 au 28 L'éducation était là depuis le 23 décembre. Ils vont finir le 28. Il y a un grand regroupement des différentes équipes. Je pense que c'est même la première. C'est la première fois qu'on a eu à avoir vraiment un engouement des équipes participantes à la Ligue nationale 1 de volleyball. Moussa Amadouna Samou, chef de la délégation AS Police de Niamey qui détient le trophée, espère le remporter cette année également. Même euh, cette année, on espère remporter les deux coupes en hommes et en dames bien qu'il y a les conditions climatiques qui sont un peu défavorables, vu le vent et vu aussi le temps qu'il fait. Quoi. Mais quand même, on, parvient à, s'adopter. On peut s'adopter à la situation. Ousmane Hamza, capitaine de l'équipe de volleyball d'Ottawa, vice-champion 2022, estime que les conditions leur sont défavorables cette fois-ci pour la victoire. fiye da yadda muka yi a bara sai dai ƙarshen labarin muna kusan zawa muka samu tikas sauran 'yan wasan namu wasu aka hana su zuwa saboda suna wani aiki wasu kuma sun gusa gaskiya babu babu alamu saboda wasa uku ya kamata mu ci don mu gaba ko wasa biyu to wasa uku ne duka-duka za mu buga mun buga biyu an ci mu biyu yanzu da maraice muna da guda Ramatou Jibohamani, Hamani, Hamsatou et toutes deux joueuses, nous expriment leur motivation. Ce qui m'a motivé, depuis que je suis en classe de première, je suivais ma grande sœur qui allait jouer elle aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer le volleyball moi aussi. En plus, c'est un sport. Déjà, j'ai pratiqué le football avant de venir jouer le volleyball. Puisque je vis, c'est très simple. En plus, c'est un sport de très haut niveau. En plus, ma, famille était les premières personnes à me motiver à aller jouer. On est au Niger, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que c'est la lutte traditionnelle seulement qui apporte. Je classe de 5e. abin da ya sa nake zakwa wasanni saboda akwai daɗi ana découvert mutane da garuka suna tahuwa akwai cohesion social kayo garu sauran mutane da suka zo yan zandar da gashi kwa ku yi contact ku ɗauki komi da komi kuwa sai da kuma ana ambiance ana zo ana wasa da komi da komi a zo a yi wasa a watse kwaya ta gidan su lami lahiya in authority suka kama Au Niger, le volleyball, comme beaucoup d'autres disciplines sportives, manque de soutien. Elles n'attendent qu'une attention particulière leur soit portée pour sortir de l'ombre et briller à l'international. Euh, le sport euh, d'aujourd'hui. Samira Seno, euh, voilà, et on est venu à la fin du sport d'aujourd'hui. J'espère que vous serez en forme pour continuer l'émission. Bien, sûr, <laughs> oh, comme d'habitude, merci beaucoup pour ce, cette partie sport. À présent, attaquons notre partie portrait Seno, qui est la star du jour. Eh bien, Samira, dans le portrait d'aujourd'hui, nous allons présenter Ramatoulaye Kou Kombari, voilà, <laughs> je vais y arriver. Combari, une jeune fille d'Agadez plutôt hein, polyvalente. Depuis euh, dix ans, elle milite pour les droits des filles. Son objectif, euh, voir euh, la jeunesse d'Agadez émerger, surtout sur le plan financier. Voici son portrait que nous propose Habib Garba. Ramatoulaye est une jeune femme qui milite pour la cause de la jeune fille dans la commune d'Agadez. Outre sa profession d'enseignante. Elle est vice-présidente du conseil communal des jeunes d'Agadez. La jeune fille possède également un restaurant. Elle nous explique comment elle arrive à gérer ses activités. Avant, c'était très difficile pour moi. n'arrive pas à dormir, les préparations, tout ça, la région de les Mais maintenant, je m'en sors vraiment très bien. Je vois que si tu t'aimais dans la vie, rien n'est impossible. Bon, il y a des collaborateurs qui m'aident, il y a la famille qui m'aide, il y a des connaissances qui m'aident. Je suis entouré de bonnes personnes vraiment qui m'aident à compléter tout ce qui doit se faire. Son combat est de servir de modèle aux jeunes de la région. Aujourd'hui, elle joint les débouts et subvient aux besoins d'autres membres de sa famille par rapport à moi, je suis entrepreneur, donc j'ai mon restaurant. Je me débrouille pas mal, je cherche le marché, les postes café, tout ça là et j'aide beaucoup vraiment les gens nécessités. Pour Abdul Akima, le premier vice-président du conseil communal la jeunes d'Agadez, un seul mot, régime Ramatoulaye engagement. On écoute. Vraiment, c'est une euh, femme très engagée en question de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Ramotoulaye, c'est vraiment une euh, femme très battante. Ici à Gadez, elle est vraiment très très courageuse et elle fait partie du conseil communal dont elle est la deuxième vice-présidente euh, du conseil communal. Le défi que la jeune Ramatoulaye, contre-levé, c'est de booster les filles à entreprendre et surtout à garder leur dignité. Moi, je préfère travailler pour avoir mon propre argent. Parce que vraiment, moi, je vois, c'est la fierté, c'est la dignité. Que tu vas venir vraiment t'abaisser, dire de mourir, rire, causer avec la personne, même si tu l'aimes pas. Donc, vraiment, les filles, sortez pour chercher. Elle ajoute que l'entrepreneuriat figure parmi les clés de la réussite pour les jeunes filles. Voilà, merci Habib pour ce portrait très très inspirant. Samira, on poursuit, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Et nous allons euh, boucler plutôt avec ma partie préférée, c'est les musiques. Et cette fois-ci, euh, c'est avec le titre Girl Dismoan. Trop de mecs te courent après trop de meufs, tellement de go qui me courent après. Mais moi, c'est toi que je veux. Je ferai toi de ma wife de que je peux. C'est toi ma star. Rien n'est se fait par hasard. C'est fou et bizarre. Baby girl, dans la vie n'est jamais trop tard. Halana Mogida, eh. Sarawaga. dilata Yamadilata. Jalmido Idima. C'est toi ma destinée. Oh. C'est ton m'a destiné, c'est ton m'a bien aimé, c'est ton m'a destiné. Girl, show me how you move. You know I like the way you groove. You're the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Vous embrassez le vaja. Est-ce que vous êtes dans la salle? You're the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Vous embrassez le mélomane. Kia make it number one. Sick is a preparation. Get like the way you shake it up and down. Girl, show me how you move. You know I like the way you groove. You the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Show me what you got. Show me how you dance. Show me what you know, baby girl. Don't be shy. Corps angélique, sourire magnifique. T'es ma belle, ma princesse d'Afrique. Je pas préfère authentique, sans maquillage. Viens que je t'amène l'un de commérage. On s'aime, c'est l'essentiel. Peu importe ce que pensent les autres, ta beauté est naturelle. Sois ma prophétie et moi je serai ton apôtre. Yeah, listen baby, baby, listen. Hein, hein. Fini pour la vie, les jours comme les nuits. C'est de toi que j'ai envie. Halana Mogida, baby. Girl, show me how you move. You know I like the way you groove. You the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Usoma c'est le vajal. Est-ce que vous êtes dans la salle? You the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Usoma c'est le mélomane. Qui aime et qui fait number one. C'est qui s'en fait pour les choses. Girl, I like the way you shake it up and down. Girl, show me how you move. You know I like the way you groove. You the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Girl, show me how you move. You know I like the way you groove. You the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Usomba Silvaja. Est-ce que vous êtes dans la salle? Est-ce que vous êtes dans la salle? You the one that I choose. Cause I like the way you shake it up and down. Who's up on le méloman? Qui est mec qui fait number one? C'est qui s'en paye pour les shows. Girl, I like the way you shake it up and down. Girl, show me how you move. You know I like the way you groove. You the one that I show. Cause I like the way you shake it up and down. Et oui, voilà, c'était là le titre Girl de l'artiste rappeur nigérien Ismoan qui réside actuellement de l'autre côté des États-Unis il y a quelques années. Alors, Samira, dis-moi, c'est quoi le titre du loti Dans ce loti, c'est nous, nous parlons hygiène et assainissement. Et oui, euh, l'insalubrité euh, dans certains quartiers de Niamey et d'autres grandes villes nigériennes est une situation qui persiste malgré les actions et les dispositions prises par les mairies. Pourtant, un cadre de vie amélioré peut en contribuer significativement à la santé des habitants. Rukaya Abdurrahman et Zainabou Abdou nous en disent plus dans la rubrique Loti. Loti, eh, Loti, Loti, fo hauno woni gun hamni bo bayo e irkoi er na fi aran kurano woni hmm hamsundi wala wone wora dai na giri iduna ya kan igo bafune fune kure wane wora hey irkoi er beri amma ni baygi salan sine se abon nim dugi bon ngay feri nan sartara ga bon cinéma muska fitin kende hey wai hey webora. bora ba ni ni mirzi bandino ore fonda no wonno gunanda hey webora. alhanan nima ir kul wonnu ya dinga kul wonnu ara mono go yega fonda sar koyni aran gbe wodinga hmm. una una wane kulu nimmo gorgsin harno kansu kan gunyanga mantiyam sai dana ra izai wat kuli sin bani gun har zi bayo sobor yam ni sobe ke naran sai ga palu da ngaranga wat kularan go laptani fondara aha wa sai no zan kai go gentu wat kulu o homme gorgsin wat kunno ay bay ma kin se may gu ai ay musko gi yangi da indin gamara ya dinga wugi su gabar mai me koy nu mo hankan ni sin su bai nafi san ka gon kan ya mai kwara gin funai sambu an sari yir zambar hinkadi wacin di iya september handora san kadin ganji im har zibu munu fondai bon dana ngai kan bore gi tar morgura bor kul kan san kadin tamumu do ko gon kai ga jukkanda koy nu mo man todin hinnanu bor kul kan dinin boragi hinga koy ci kwaragin funaise ceyan no boragati lamba ta kya ihin za ihin za di ta ya dinga ma hagwai koy mu polisai kan hagwai da kwara sakon yanwo igihin ga kagin di oh. o mai ta borai dimu ngai no gati borai kanga hagoida iga hatta ga windi kurera gidi borai windai meye da fondai mu he voisin yar ngai irko dai gai kara gorga sina isabu kan ne manai to na siri hun kun banda kira banda ai sai ga har mun fondo bo niga bai kan mu irno himgi ke singi gir wani kurai nan di wodin mu aga sintino zair windi yadin dai no walla ni kan ganin yago ni bora ni su bugu borfo wani nyaku. Loti. Loti. C'est Loti. <laughs> pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français et en zarma avec Moussa Hassan, responsable du desk zarma du studio Kalangu. Bonjour Moussa. Bonjour Samira, bonjour Seno. Bonjour. Alors, euh, quel est le mot du jour euh, Samira, le mot du jour, euh, la culture linguistique va s'intéresser, va revenir sur le mot panafricanisme, qui est un mouvement et une idéologie politique qui font la promotion de l'indépendance totale du continent africain. Il encourage la solidarité entre les Africains et les personnes d'origine africaine, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde, en faisant abstraction de leurs ethnies, leur religion et leur apparence physique. Donc, euh, par exemple, ce sont des idéaux incarnés par euh, des gens comme euh, Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Sekou de la Guinée, Patrice Lumumba du Congo, ou encore Thomas Sankara du Burkina Faso, eh, par exemple, et bien d'autres. Euh, au Niger, par exemple, on peut citer certaines, certaines personnes qui sont connues pour leur panafricanisme, mais vous connaissez certainement l'actualité, on n'a pas besoin de citer leur nom. <laughs> donc euh, pour revenir aux armes, eh, au cas de france a panafricanisme afrique bo Il me tient dit, amantikala diyanno tangami wani wana politik tangami kan wuka da yingiti afrika la bai mai a mema du ngai bondura timante kan sin da bai kumci san ki te da ga te da ngai kan de mm. iga bore zuga afrika la bai bore me ame da bai kurkan fun afrika la borga nan kurkan go dunya ga imi kyardi kan sin sindara mu dumi guna wala mu cari addini guna wala fa yanka fo de kan irko te takarga har fa yanka fo aram su wodi kul guna arwa afrika boryanno afrika gana ram fun aram mu ceddi katangam afrika mu dungu bondur timbanta tangamino kan jine boryan do go goro zaji kane wate sanda kwamin kulma gan labizo amer seku ture gine la bizo da patrice lumumba yan ngumo kongo hare kambo thomas sankara irgo sino burkina Mhm. bure wo kulu igin ibo butonto iga iga bagun bore kan tanga medin te afrika jajire kurra mono bore ndu mai funirsi ini je bora mbo bure tanga modin du mote mhm. amma bo matkan bara kulu bai da bure no kan irgi bai ya matir ka te se barbata ku fono ga kaga italla nango yadin matkan a lokacin ranir go irme chino bon bore go isaniga merci beaucoup à bientôt chers auditeurs merci encore euh, de l'intérêt que vous portez à cette émission vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux écoutons quelques-uns vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Euh, bonsoir, je me nomme Dr Chefou Azizou, je suis le secrétaire exécutif euh, de l'association Jeunesse Nigérienne au service du développement durable qui euh, pilote un projet donné à l'enfant Sahara et ce projet est un projet transnational. Autant que le temps me le permet, en tout cas je ne rate pas certaines émissions, surtout les émissions qui font le tour des régions et les émissions destinées aux jeunes en tant que secrétaire exécutif de cette organisation dédiée aux jeunes. Je suis beaucoup émissions. Euh, ces émissions, en tout cas, nous ne pouvons que les saluer. Euh, nous encourageons beaucoup l'engagement, en tout cas, des journalistes, euh, des techniciens, en tout cas la diversité des journalistes femmes et hommes qui va jusqu'au fond du, Niger pour recueillir le point de vue des populations. Et vraiment, le fait de partager ces émissions dans presque toutes les langues du Niger, cela nous émerveille beaucoup et nous encourageons de persévérer. Et si peut-être nous avons une demande, c'est de multiplier aussi les thématiques euh, du genre, euh, par exemple, euh, l'éducation et l'addiction à la drogue, les voyages sans pièce d'identité, et voilà, les, mariages précoces, surtout chez les jeunes filles, il faudrait qu'on insiste là-dessus pour que vraiment certains parents que nous sommes prenions conscience, euh, en tout cas de la violation de certains droits euh, dédiés aux enfants, aux jeunes, et leur permettre vraiment de réellement vivre euh, leur vie. Euh, le premier message que j'aimerais lancer, c'est en tout cas à l'endroit de tous les défenseurs des droits humains, qu'ils soient ici au Niger ou dans la sous-région, je leur dis vraiment de tenir aux acteurs des médias, qui sont aussi nos collègues, parce que nous faisons aussi le journalisme, nous disons de vraiment faire le traitement équitable de l'information. Nous demandons à balancer, à équilibrer l'information, à toucher, à toucher, en tout cas, toutes les composantes sociales pour réellement avoir une information de qualité. Et je profite en tant que premier responsable de l'organisation des jeunes, malgré mon âge, je dis coucou aux jeunes, je vous salue. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Monkela Ouseni alias Seno et de moi-même Samira Wafi. C'était un immense plaisir de partager ces une heure de bonheur avec vous. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, quant à moi, on se retrouve le samedi et le dimanche dans la rubrique de la FADA. La technique était assurée par euh, Issa Lawali, Rahila Toussoumana était à l'édition. Alors, chers auditeurs, sur cette belle mélodie musicale, on vous dit ciao bye Bye.